Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV dans votre émission Tous au ciné pour encore parler du 7e art. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque qui nous font encore plaisir. Eusanne Palsi, Moulikan Fatou prix de la meilleure interprétation féminine. Euh, nous avons le plaisir quand même d'accueillir Eusanne Palsi qui est euh, euh, française, martiniquaise. Bonjour Eusanne. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est un grand plaisir. Bienvenue chez vous au Sénégal et dans nos locaux à ITV. Bonjour Molly. Bonjour. Alors nous euh, parlerons bien sûr euh, du festival euh, Dakar Court, mais avant cela, je vous propose un portrait de notre invité Ezan Palsi, qui a fait quand même les beaux jours du cinéma, première femme noire à avoir bénéficié quand même de la production hollywoodienne. Donc suivons ce portrait de Ezan Palsi qui retrace son parcours. José, tu vois comme la case est propre. Tes vêtements pas salis. Pas fait moi, façon, hein? Bon. La réalisatrice française est la première noire à être produite par un studio hollywoodien. Metro Golden Mayer, ce qui assure une reconnaissance internationale. À 17 ans, Ozane Parsi encore jeune, réalise son premier film intitulé La messagerie pour la télévision française de Martinique. L'appétit venant en mangeant, elle s'envole pour Paris en 1975. Diplômée de l'Université de Sorbonne, elle passe également à l'école Louis Lumière pour être directrice de la photographie. Pour adopter la rue Cazenègre au cinéma, elle rencontre François Truffaut qui s'intéressait vraiment au projet de la réalisatrice. En 1983, Rue Cazenègre accroche le public qui découvre la Martinique en temps louton et l'exercice mystérieuse des familles noires attachées dans les plantations de Cannes un long métrage qui remporte 17 prix internationaux en France et aux États-Unis. Merci à Kanji qui nous a fait euh, ce portrait de Zan Palsi. Madame Palsi, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce euh, très beau portrait <laughs> Pas grand-chose. Nous euh, découvrons quand même euh, les plantations de canne à sucre à travers euh, ces films. Oui, je pense que c'est un film qui est très important parce que la, vie de, des Caribéens, hein, de tous ces transplantés, je dirais, hein, pour employer une, une, expression très césarienne, dans les années 30. donc, c'est aussi l'occasion de de, d'amener, de, ramener à l'écran donc notre grand Douta à sec, qui est sénégalais, qui incarne un personnage extrêmement important pour le gamin. Euh, c'est une sorte de père, de père spirituel, qui va lui parler de l'Afrique, parler de ses racines. Voilà. Il est beaucoup question d'une ignorance des territoires d'outre-mer de la France. Est-ce qu'on peut dire que cela a daté depuis euh, quand même euh, très très longtemps ben, Je pense que nous connaissons mieux euh, notre France que, la, que notre France ne nous connaît. C'est vrai. Euh, c'est, bon, ça se traduit par, par toutes sortes de choses. Déjà au cinéma, euh, cette absence, ce, je ne dirais pas désintérêt, mais on a l'impression en tout cas que, que notre histoire, notre culture, effectivement, intéresse très très peu ceux qui ont les, moyens, les possibilités de financer du cinéma français. Donc nous sommes, sommes je ne sais pas, si, je le dis souvent, nous sommes, euh, nous français à part entière ou entièrement à part C'est la question que je me pose souvent. Absolument. Et euh, c'est toujours d'actualité, on dirait. <laughs> oui. <laughs> oui. parce que ce film, vous l'avez réalisé en 1983 quand même. Oui. Ouais, même si euh, l'histoire date de 1930, c'est ça C'est-à-dire que l'histoire le roman de Joseph Zobel, parce que c'est ce Louis il faut le dire, est un roman adapté. C'est une adaptation du, grand roman de Joseph Zobel, qui a mm. d'ailleurs passé pas mal d'années de sa vie ici même à Dakar. Mm. Il a été professeur au lycée la Nouvelle de Dakar. Euh, et donc, euh, il est sorti dans les années 50, en fait. Oui, c'est ça. Alors, euh, parlons à présent de l'avenir du cinéma africain. Qu'en est-il exactement L'avenir du cinéma africain, bon, je, dirais que c'est bah, entre les mains des Africains. Voilà. Mm. Donc, euh, je l'ai dit et je le répète, euh, il faut cesser euh, de, de, se tourner vers l'extérieur pour attendre que les choses viennent, que les choses viennent de l'extérieur. il faut que les Africains, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui, qui, qui, sont conscients que la culture est une, est une arme puissante pour pouvoir se faire connaître, euh, euh, parce que les Américains l'ont bien compris. Hein, ce n'est pas pour rien que, que Hollywood est, une, est très très important pour, euh, pour, pour, les Américains, pour les politiciens, parce qu'ils ont compris qu'avec Hollywood, avec tous les films qui se font, <laughs> c'est l'un des plus grands moyens pour, pour vendre l'Amérique. Je veux dire que, bon, ben pourquoi dans, dans les villes les plus, dans les pays les plus reculés de la Terre, ben, au fin fond des campagnes, vous, vous dites Coca-Cola, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Parce qu'ils ont utilisé l'image, ils ont compris l'importance de l'image. Alors le jour où justement euh, euh, nos leaders euh, africains, il y en a qui, qui en sont conscients, hein, c'est pas tous, mais ceux qui ne le sont pas, il serait temps qu'ils comprennent que, que le cinéma n'est pas juste un art, c'est une industrie et c'est une arme extrêmement puissante de développement des pays. Oui. Dans ce cas, les richesses du sous-sol attirent euh, à l'heure actuelle beaucoup d'entreprises étrangères. Euh, comment est-ce que le cinéma africain peut en profiter Moi, je l'ai dit plus d'une fois. Vraiment, ça fait 20 ans que je prêche dans le désert, mais bon. Euh, je l'ai dit plus d'une fois à des leaders africains que j'ai rencontrés, à des ministres de la Culture également. et je disais que pourquoi ne pas demander à ceux qui, qui, exploitent le, sol africain euh, pourquoi ne pas prélever avec le raccord, bien sûr, d'ailleurs, on, pourrait en faire une loi, d'ailleurs, pourquoi pas une loi culturelle, votée, euh, qui dit que voilà, toute personne euh, dont travaille en, en Afrique avec l'Afrique, qui exploite le sol, donc il y a un petit pourcentage qui serait prélevé justement sur, sur les bénéfices et reversé à une caisse qui irait alimenter justement la culture. Voilà, donc, euh, ça permettrait euh, e, effectivement de, créer des écoles euh, pour former des acteurs, des, cinémas, faire des films, etc. Et je pense que ces gens-là, ça m'étonnerait que ces gens disent ah non non non, ça ne nous intéresse pas de participer. Au contraire, je pense qu'ils seraient plutôt fiers mm. de dire oui, ah, au moins ça a servi à ça aussi. On en est très fiers. Voilà. Oui, euh, vous avez été la présidente du jury de Dakar Cour, un festival qui en est à sa deuxième édition, mais qui connaît quand même euh, beaucoup de succès. On en parlera plus amplement tout à l'heure avec euh, Moulikane. Mais quelles conclusions pouvez-vous tirer, ou bien quels enseignants pouvez-vous tirer de ce festival qui prend quand même de l'ampleur C'est-à-dire que c'est une deuxième édition qui, effectivement, de par son succès, a confirmé la première édition et l'importance et l'urgence de l'existence d'un tel festival. Il était temps que ça existe. Et je félicite énormément Kahn, ce jeune réalisateur qui a compris très tôt qu'il fallait qu'il y ait un festival Court. Parce que c'est 90% des, réalisateurs de long métrage ont commencé par le court métrage. On fait ses armes avec le, court métrage. et, moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que ce public qui a faim et soif de se voir à l'écran, eh bien, la salle était pleine et, bon, ben, il y avait autant de personnes à l'extérieur qui ne pouvaient entrer et voir les films. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine, sincèrement. Mm. Parce que je me dis, mais ils ont le droit d'être là. Mais parce qu'il n'y a pas de cinéma, parce que la, bon, la salle était trop petite, mais ils ne pouvaient pas. Donc ça prouve aussi qu'il y a une demande de nos peuples d'Afrique justement de se voir à l'écran. Et c'est vachement important. Moi, je dis tout le temps qu'un peuple qui ne se voit pas à l'écran ne peut pas se connaître. Il ne peut pas connaître ses possibilités, sa beauté, son intelligence, euh, euh, sa capacité à, contribuer à l'évolution du monde. L'Afrique a, a nourri le monde et continue à nourrir le monde. Tout le monde exploite euh, l'Afrique. Et maintenant, c'est la ruée vers l'Afrique. Seuls les Africains n'en sont pas conscients, j'ai l'impression. Voilà. Oui les territoires d'outre-mer À quand la jonction avec la terre-mer, l'Afrique ben Écoutez, euh, chacun le fait à son niveau comme il peut avec ses moyens. Et, euh, dès que, que, nos frères, euh, que, nos, mes compatriotes de la Martinique et de la Guadeloupe, dès qu'ils peuvent se rendre en Afrique, ils le font et ils sont contents. Il y a beaucoup d'échanges entre l'Afrique mère et les Antilles. Mais ça, mais les gens ne le crient pas sur les toits, puis ils n'ont pas à le crier. Ils sont chez eux en allant en Afrique. C'est le retour, c'est le, retour au pays natal, comme dirait <laughs> Aimé Césaire. Mais ça se fait non pas vers la Martinique, mais autre pays natal, euh, vers l'Afrique. Et les gens sont, et les, Antillais ont une meilleure connaissance de l'Afrique et puis, ils sont contents de retrouver leurs racines. Tout le monde cherche maintenant ses appartenances euh, avec des tests ADN pour savoir, ah, je suis de quelle, de quelle ville, quel pays d'Afrique, euh, etc. Mais c'est bien. J'encourage cela. Est-ce que le cinéma peut dès lors jouer un rôle prépondérant dans ce sens Totalement. de toute façon, moi, j'ai tourné en Afrique. Hein. Je veux dire que j'ai tourné un film qui s'appelait How Are the Kids Comment vont les enfants Juste après que j'ai tourné Negre ». J'ai tourné ensuite euh, un film euh, sur l'apartheid, de Dry White Season, une saison blanche, euh, sèche et blanche. donc j'ai tourné donc en Afrique du Sud, j'ai tourné également j'ai tourné au Zimbabwe, euh, j'ai fait des films, j'ai fait une série sur Aimé Césaire où il était question effectivement d'Afrique surtout, mm. d'Afrique. Euh, j'ai tourné au Sénégal, donc il y a d'autres euh, personnes qui, ne demanderaient que cela que cela tourner en Afrique et que les Africains viennent également tourner aux Antilles, quoi. Et ça se fera. Hein. D'ailleurs, Molika a fait ses études aussi à la Martinique. Hein. Voilà, il ne pouvait pas les faire à Dakar, mm. il n'avait pas les moyens, effectivement, donc il est, il est allé et il a, étudié. Oui. C'est ça. Alors, euh, nous n'allons pas vous retenir euh, très très longtemps. Ce fut quand même un très grand plaisir de vous euh, accueillir. Peut-être votre dernier mot ben, je dis euh, vive l'Afrique et vive les cinéastes africains qui s'accrochent. Mm. Et puis je, félicite Monsieur le Président. Euh, euh, en, il, a compris, je pense, il a fait partie de ceux qui ont compris mm. l'importance de la culture et qu'il faut des salles de cinéma, il faut donner de l'argent. Il faut, il, il faut augmenter justement les, les, fonds et qui permettent aux cinéastes de faire des films pour que le, le, monde a faim également des images africaines. Tout le monde vient prendre, il faut que les Africains puissent créer et, aussi envoyer de l'autre côté leurs films. C'est très important. Et beaucoup d'autres festivals aussi, hein. on en a besoin. On en a besoin, absolument. absolument. Merci en tout cas, Madame Eusanne Palsi. Merci beaucoup, c'est un plaisir euh, de vous euh, accueillir ici. Nous allons euh, tout de suite introduire la bande-annonce du festival Dakar Court. Ensuite, revenir sur le plateau, échanger avec Moulikan, l'un des organisateurs de ce festival. tu fais ici chez moi Je t'ai dit que je fuis la guerre. Et toi, tu vas rester ici. C'est quoi cette questions encore Il n'y a comme option. Amouni Ligay. Amouni Tu as un gros sac quelque chose moi là-dedans Histoire de trois potes qui décident de ramener à la vie une amie à eux qui est morte. Je suis passé à l'âge de la conquête. Tu devais être mienne. J'étais d'une inspiration débordante. Ce jour-là, ah, Le oh, chef et ses collaborateurs travaillaient, travaillaient. Je dois parler au frère Manuel. Je ne reviendrai plus après. Cela fait deux ans. mbokk yi nuyu nañ leen euh, di euh, len gërëmati ak euh, sen kóolute ak sen ànd ak ITV ñuy ànd ak yéen encore ak sen émission bi di tous au ciné di waxtaan ci walu cinéma nañ ko waxee sànq ak Eugène Palsi muy cinéaste bu mag bu ñu ragné ci adina bi tay dañuy wëyel waxtaan wi ak ki nga xamni moy mooy mom mo fexé ba taxawal festival bi di Dakar Cour Kane nek ak ñun ci plateau bi ñuy fas yéene waxtaan ak mom waye tam ak ki nga xam ni Fatou Ndiaye remporté prix meilleure interprétation féminine Moly nuyu nañ la. maa lay fay di di fay nga ñoo ñuy euh, euh, comment dirais mm. aussi Fatou mi nga euh, gagné prix interprétation féminine bi di ko félicité. di nuyu aussi soxna fi mm-hmm. Fatou félicitations. merci. Euh, looy nuyu ak téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp euh, di ziar ñëpp. Mm. Mhm. voilà dinañ ci ñëw ci kanam ak euh, prix bi nga xam ni remporté na ko ci festival Dakar cour bi donc Moly. ban conclusion lañ mën a jàpp ci deuxième édition festival bi. waaw conclusion bu ñu mën a jàpp ci ñaareelu édition rek mooy festival bi nekk na réussite bu mag lu ko waral nag mooy dañ cee jóg gannaaw bu première édition bi jàllee metti woon na trop.

Euh, cinéma ba am ci ab force ab xam-xam bu ndaw lu war moy ñu xam-xam bobu ñu am ñu appliquer ko motax tax euh, gannaaw ba ñu démé ci bitum réew ci ay festival yu bari ba ma ñibbisee ak samay natango ku ci melni ni Momar Talla Kandji mi nga xam moy euh, secrétaire général bi ak yeneeni réalisateur ak réalisatrice dañoo waxtaan ne jotna mhm. jotna que Sénégal ñu bañ di demati rek mais nit ñi di jóge fune di ñëw fii ndax euh, li nga xam ne mooy cinéma am na fi. Hmm. loolu tamit moo ngi jugee ci sunu kilifa gi nga xam ne mooy Abdel Aziz Boy mi nga xam moo ñu tàggat ba ñu nekk ndaw xamal nañu ay ndaw ngeen dëgg la euh, koppar gi def Aziz bu ciné banlieue hmm. mu ne ñu ay ndaw ngeen ay cinéaste ngeen donte koppar gi def ay film ci bitim réew newul Sénégal waaye na ngeen am fulla na ngeen am fayda hmm.

interprétation féminine euh, nga xamni ki di euh, Fatou Ndiaye mo gadou euh, prix qui dañuy June ci plateau Français d'origine coréenne et puis je suis cinéaste depuis à peu près maintenant 15 ans. J'ai réalisé mon premier film documentaire en 2006, Retour en Corée 30 ans après. Et puis, euh, donc c'était un documentaire 52 minutes où j'étais parti tout seul euh, à la rencontre de mes racines en Corée. Et parallèlement, j'ai réalisé des fictions, des courts-métrages, euh, voilà. Et puis, bah maintenant, je continue. Aujourd'hui, vous êtes à Dakar Court. Est-ce votre première participation à un tel festival en terre africaine ou au Sénégal Alors complètement, c'est la première fois en terre africaine où j'ai tourné un film et en plus en compétition. C'est vraiment une découverte pour moi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Adjuma Ce film fait beaucoup parler de lui. Hein. Bah, en fait, est né, le, projet est né à Clermont-Ferrand, au Festival de Clermont-Ferrand, où j'ai rencontré toute l'équipe de Dakar Court. Et ensuite, euh, bah, en fait, je suis resté en lien avec Moulikan, où il y a eu une rencontre déterminante avec lui et où je lui expliquais en fait euh, plus mon désir de venir tourner en Afrique et pourquoi pas donc au Sénégal. Donc j'ai écrit euh, cette histoire avec comme projet de venir donc euh, le tourner ici et de le présenter au festival de, Dakar. Donc Adjuma est fortement, il y a une thématique sociale forte puisque c'était mon projet en tout cas d'avoir une thématique sociale et surtout de travailler exclusivement avec des Sénégalais toute, mon équipe était sénégalaise, en tout cas sur le tournage, excepté ma, mon assistante, euh, ma collaboratrice et mon épouse française. L'approche, est-ce vous avez eu des vous avez fait des enquêtes dans le passé qui vous ont permis de découvrir euh, toute cette histoire ou, euh, Comment ça s'est passé Alors moi j'ai un ami qui vient à Dakar depuis plus de dix ans, qui est tombé amoureux du Sénégal, euh, qui connaît très bien, qui m'a parlé en fait de son envie de faire partager euh, cette passion pour le Sénégal. J'ai un autre ami qui a travaillé quatre ans ici à Dakar en tant que géographe et qui me racontait des histoires et bon bah, je me suis dit peut-être qu'il y a un festival de court métrage à l'époque il n'y en avait pas. Et j'ai commencé finalement, quand j'ai appris qu'il y avait ce festival dakar j'ai commencé à me documenter quand le projet commençait à voir le jour, à lire des articles de journaux, à regarder C'est la vie, la série euh, qui a bien marché en tout cas ici, sur le droit des femmes, puisque moi c'est un film social sur la, sur la féminité. Donc j'ai écouté la radio, j'ai essayé de me renseigner, de regarder des films pour m'inspirer et je j'ai trouvé des similitudes entre la société sénégalaise et la société coréenne. Donc sur euh, le lien avec la famille, le lien avec euh, la société, la pression de la société. Donc je me suis inspiré, j'ai écouté des amis qui ont raconté aussi des histoires, des préoccupations qu'ils avaient aujourd'hui. Et il y en a tellement des faits de... Enfin, il y a, beaucoup d'histoires ici à raconter en tout cas au niveau sociétal. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit avec ma co-scénariste euh, ce, ce film-là. Et à Duma, c'est un petit clin d'œil avec la Corée, puisqu'en Corée, on dit Adjuma, ça veut dire euh, madame. Et Adjuma, je trouvais que ça ressemblait, donc euh, je trouvais que c'était chouette. Ouais. C'est ça, femme et homme, ouais. jërëjëf Dioune euh, moom moo réalisé Adjuma dégg ngeen li mu wax dafa jëm ci film bi nga xam réalisé na ko fii ci Sénégal moom muy ab coréen film bi ni mu ko réalisé nak moy ni dafa seetlu ni Corée ak Sénégal soranté na lol waye dafa am lu bëri lu ñu euh, ci social euh, ci seen i ci biir euh, famille njaboot yi ak ay réalité socioculturelle yo xamni ni na ci lo xamni Sénégal daf ko seq ak Corée loolu moko pousser inspiré ko mom franco-coréen bi mu tourner film bobu dupé Aljuma ajuma itamit dafa am leneen lu muy firi ci coréen mooy euh, jigéen ba tax na euh, ñu ngi fii ak ki nga xam ni mooy euh, Fatou Fatou na nga def. alors prix bi lan nga ñu ci mën a wax. waaw prix li ma ci mën a wax mooy c'est un grand plaisir que ma jël ko. fekk ni que sama première fois la may def cinéma. alors xaaruma woon pour jël prix dama def li ma waroon def rek. ok ban rôle nga joué ci Adjuma. Euh, ben moi actrice principale d'accord ça parle de fait de société ay mœurs ak yooyu. waaw àjjuma ben jeune fille la buñu buñu violé après mu révolté wu def lu warul def loolu la rek. Mhm. Mhm. ban jangat la ci euh, sénégalaise bu nga xamni ne jànq la mel yow war a war exactement. jangat bi ma ci jëlee moy ni que nit bu nek rek ak situation bu mu la mën fekk da nga war a hmm da nga wara dal. Amna solo mais relation ak June, vous ngeen def ba link bi commencé ak mom ba euh, euh, travail bi ni euh, tonton parce que mom mo indi association bu nek banlieue Pikine ci la un casting bi suis choisir ma comme actrice principale après ci lañ commencé liggéey. ok mhm. mais euh, relation bi jafewuloon nonou pour en tant que euh, ko xam day sogu dugg ci cinéma xamuloko won hein? Euh, est-ce que jëflante bi méttiwuloon nonou teguñ la won lo xam dal atanoko ci tournage yi non non teguñu luma lu parce que déjà man damay def théâtre donté que ni théâtre ak cinéma xawna am toute différence mais amon na ño xamanteni ci ño ngi won ci sama wet pour dima comprendre lo certaines choses yi nga xamanteni xawmoko donc metti wul donc non. ngay jang même si profane nga. waaw ok alors tay jii lan moy sa avenir ci cinéma waaw di ñaan yàlla continuer rek parce que métier la dañ ko taamu bàyyi lu bëri pour def ko donc dañ ciy def liñ ci war a def ñaan yàlla tamit mu yóbbu ñu ci fu sori parce que loolu moom mooy suñu objectif. Hmm. Mhm. alors dañuy euh, tourner ci Moli, Moly ab coréen bu jóge fu sori ñëw euh, lëkkaloo ak yow ngir réaliser fi film bi ni mel euh, link bi naka la demee ak inspiration bi ndax xaaroon nga et bon peut-être cinéma rek moo mën loolu. Euh, euh, moom ndeysaan dañoo daje fële ca Clermont-Ferrand. Mm-hmm. benn festival bu mag bu fa amoon Sénégal nag mu nekkoon première at ci Sénégal mu ñëw am fa stand. stand bi nga xam ne day day wane euh, njaayu Sénégal ci wàllu cinéma Sénégal film yu muy jaay Sénégal film yu muy defar loolu moo ñu fa yóbboon pour fësal liggéeyu Sénégal. Mm-hmm. si lañ daje ndeysaan foofu ba ñu waxtaanee mu ne ma. waxtaan bi nga exposé bi nga def fii ci Sénégal wax Sénégal noonu te neex na ma té bëgg na ñëw Sénégal eh, am lu mu fa def ma ko wa ah, bismillah bu ba mu del Sénégal mu woma téléphone wax ma ci affaire yi ñu waxtaan ma nag mom échange lu yag nak ci scénario bi ba mu am ben moutir envoyé mako ñu liggéey si ma delluwaat koko ba mu bëggé ñëw nak si nak ñëwul mu ñëw ma yobbu ko ax ko ax ko nga xamné ndaysan day dagalé xalé yi bok bëgg cinéma te muñu mm. amuñu sens dem école wala ci yeneen bërëb yi ñu jàngé jàngee arco mooy arcos arcos waaw moy arcos banlieue nga xamné Leyti Fall moko jité mm-hmm. nek nit ku bax ma yónni ko fa mu dem fa def casting ba mu defé casting si la tànnee xale bi na ma nag am ko fa tànnoon ni la tuddu mhm. si lañ commencé nak répétition yi. ak ak mom mu nek nak production bu am solo. jafewul parce que cinéma langage la man na nga jóge Chine ba nga jóge Japon foo mënta juyee làkk boo mënta lak so ñëwee fekk ma fi cinéma cinéma ben langage la am. Mhm. ci langage boobu la ñuy liggéey si le si la comprendre. oui est-ce que mënuñ ci jàngat aussi benn universalité boo xam ni ak nit ki fu mu ci jógee parce que moom buy wax ni dafa gis ay similitudes ci diggante société coréenne ak sénégalaise est-ce que loolu du cinéma rek moo ko waaw mais xam cinéma dafa am doole. cinéma dafa am doole tey soo xoolee léegi euh, euh, Asie histoire u Asie soo ko xoolee dafay xaw a histoire u Afrique. Mm-hmm. ndax presque ñoo doorandoo ci ndóol waye ñom nak dafa am lu neex ñom ci coréens yi ak asiatiques yi. moy hmm. ñom dañu gëm né dañuy gën ci ndóol motax ñu gën ci ndóol. est-ce que ça veut dire que ñun africains yi dañoo des gëm né mun na ci génn waaw lu am la ñun africains yi la major major partie bi en tout cas du ñëpp nak euh dañoo gëm euh, euh fatalisme en fait loolu la dañ ko hmm. gëm. Hmm. mu li loolu message la à travers le jeune wala. wa mais effectivement man loolu la gis euh, dañuy nekk ndaw ci âge bu ay 17 18 ans ba 25 ans. Euh, taxaw na dëkk bi dafa dëgër toog ci buntu gàlle bi. Hmm. su dee dëkk bi dafa dëgër toog ci buntu gàlle nga yaakaar ne dëkk bi dina bouger du bouger un mètre. wala nga bëgg a jël gaal dugg ci géej gi dem jaay sa bakkan. waaw mbaa nga bëgg a jël gaal dem bitim réew. loolu yëpp ci fatalisme la bokk waaw ci fatalisme la bokk man du ma ko diggal kenn. Hmm. parce que man si sama vie en fait laay tirer ay leçon yu bari dama gëm na daal adina soo ci nekkee gannaaw ba nga déggalee say wayjur hmm. nga am loo gëm muy sa diine sa foi. loo song daan ko. absolument merci beaucoup Mali dañuy euh, dem cette euh, année euh, interview bu ñu seq aussi ak Roger bu série Pod et Marichou ndaxte mom Roger moy acteur principal bu un air de Cora bi nga xamni Angel Angèle Diaban réalisé un air de Cora mo remporté grand prix du jury bi dañuy année Roger de la série Pod et Marichou mom fofu moine la fawone mu incarné rôle bu am solo bu wax ci dialogue islamo-chrétien dañuy année Roger dellusiwaat ci plateau bi. Euh, déjà, c'est d'abord le dialogue islamo-chrétien. Hein, et, voilà, moi déjà, j'ai le rôle d'un moine là-bas. Euh, c'est l'histoire. En fait, on joue plutôt le coup de foudre entre euh, une fille voilée, une Ibadou, et, un moine. Une histoire. Un truc assez paradoxal quand même, parce que qui connaît les moines, c'est que voilà, ils sont, ils sont dans la prière, c'est toujours la méditation, ils sont dans un, ils sont toujours casaniers mais, mais voilà, comme on dit, l'amour, quand ça vient, ça vient. Quoi. Surtout quand c'est un amour vrai, on ne peut pas le maîtriser. C'est juste quelque chose euh, voilà, qui, est là et il faut assumer, il faut, il faut le vivre. Quoi. Donc c'est tout au long du film qu'on essaie d'éviter cet amour, mais qui est plus fort que nous après. C'est un truc qu'on ne peut pas éviter ici. Je dis souvent que voilà, tout ce qui est chrétien, musulman, euh, qui tombe amoureux ou qui est ces histoires, déjà le pays le Sénégal, c'est un pays, comme on dit, le pays de la teranga. Tu ne peux pas distinguer musulman de chrétien parce que on, partage les mêmes cérémonies, les, mêmes célébrités, les mêmes cérémonies, euh, célébrations, pardon, euh, et les mêmes cérémonies. Donc, du coup, ce qui fait que voilà, on ne peut pas vraiment distinguer qui est chrétien, qui est musulman. Et du coup, il y a cette symbiose qui fait que voilà, les gens, gens vivent cet amour et puis le pays est en paix, quoi. alors merci beaucoup à Roger Mon mi nga acteur principal Je donne euh, moine ci film qui di euh, un air de Cora euh, Je fi rôle bu am solo un film bu am succès trop Mouli mais l'un de caractérisé lan lan spécificité bi nga xam film succès pour mu remporté grand prix national bi waaw mais xam nga ki nga xamné moko réaliser ko réalisé. Mhm. Euh, je rectifie que grand prix national la remporté ah. grand prix national Annette Mbaye Derneville. mom mhm. muy prix bo nga xamné ne film yi nga xamné ñoo film sénégalais nek euh, di jonganté ñoko don euh, xëccio waaw film bi euh, différence am rek moy bokku na ci ko ko réaliser muy Angel Diaba di réalisatrice bu mag. Mm-hmm. muy euh, di euh, expliquer li nga xam ne euh, lu am la ci Sénégal te tey ñu koy dund muy diine yi. muy mbëggeel day dugg foo nga xam ne parfois day compliqué que ñun ñu mën ko nangu. Mm-hmm. ndax suñu diine benn ndax yenn saa tamit di suñu xeet si xeet yi tamit yenn xeet yi duñu sëy mu nekk société muy société bu nga xam ne Sénégal àddina Afrique sax la société africaine bi euh dafa bëgg passer étape bob dem ci benen étape. mom mhm. moy point de vue euh angel Diaban motax euh mu séduire jury bi nga xam dañ ko composer ñi nek Afrique ñi nek Sénégal ak ñi nekk diaspora bi te ñom aussi ils ont compris que euh am benn mutation bu bu nek di am ni quoi motax je pense que motax ñu primé ko accompagner mutation boobu. ok alors euh, Fatou ba looy tàggoo waaw di contente ci invitation l'invitation que ma invité di remercier bu de remercier tonton Molly de remercier aussi sama président ARCOT monsieur Ledifal, de di remercier sama que tamit ci autorisation bu ma jox pour ma def comme métier métier bi ma bima mhm. théâtre diko mhm. koy di ko remercier bu baax di remercier Sénégal yépp di remercier Jun aussi en tout cas félicitations encore. merci ñaanal euh, yenen succès dans l'avenir. merci di ñaan nga encore ñu euh, réalisation. merci beaucoup. alors le dernier mot lu deuxième édition troisième édition bi dañ déjà présent mhm. pour que ñu ko songu ko euh, cinéma nekk ci média parce que tamit euh, festival mis pour festival pour taxaw mais yi y am ngeen ci rôle bu am importance bi ngeen war jouer. ITV même ñu ngi ci biir déjà. Oui, effectivement et que nous préparer ko l'année prochaine soo un festival local Cannes festival Berlin da canaux Canal Plus nous accompagner manifestation yi. mais yow ñu ngi nous à Cannes ak effectivement. on était on était ensemble. tu as vu. kon mhm. c'est fondamental qu'il y ait des chaînes de télé sénégalaises. Mhm. yi nga xam accompagner euh, festival bi ak yeneen un festival sax yu am Sénégal. Mhm. Euh, jéggalu ñëpp nak ndax ndeysaan dañ may woo partout dans le monde di ma wax ni ah ñu suñu invitation et euh, mais loolu aussi xam nga amaguñu benn doole bi pour andi ñëpp moo tax euh, loolu mënul nekk mais ñoo ngi sant euh, gouvernement Sénégal des centres institut français des centres sunu nos cinéaste yu mag ñi mag nous ñoo leen ñoom déplacement. Mm-hmm. Mm-hmm. cinéma nekk région yi ciné club yi. ñoo ngi centres euh, bu euh, Dakar Court édition 2020 te bëgg nañ inshallah ñu am 20 sur 20. inshallah allah mbokk yi kon dañuy wëy ak pàcc seen émission tous au ciné di waxtaan ba ci cinéma dañ ci ànd bi ak réalisateur bu mag bi di Chérif Asfati ci cinéma ci ITV. Votre roue là s'est posée dessus. Seigneur nous a posé sur une Si vous faites bouger le véhicule, il risquera à tout moment d'exploser. Si l'un d'entre vous décide de descendre, il réduira le poids du véhicule. Et tout va exploser. Je suis enceinte Cette dame ne sortira pas avant moi. Descends là, mu euh, Karine un film de Shérif Asfati Chérif euh, film bi euh, lan lay wax exactement. en fait Karine raconte raconter histoire d'une femme ben, ben car déjà bu doon situation de guerre comme guerre en Afrique rek mu doon jëm une ci situation de conflit ñu arrêté juste car bi taxaw juste ci benn mine donc. Euh, euh, discussion bi film bi yëpp si loolu quoi donc car baa ngi gaare juste si kaw mine kan ma war a wàcc bu poids bi day euh, exploser donc fa tamit yi si discussion bi yëpp si loolu lay nekk donc kan ma am priorité wàcc ci oto bi kan ma warul donc fi carrément euh, film yi day nature humaine mel nit nu mel ci en face de la mort en face du danger comment la personne réagit donc tout le film c'est autour de ça donc si il y am une femme autour de Karine qui tout le personnage c'est une femme enceinte donc nous dañoo considérer que femme ah, elle fait deux fois le poids donc ñëpp war nañ génn sauf sort. parce que si bu est la première personne qui sort. Hum. ça va poser problème. Hum. donc le film tourne autour de ça. oui finalement nous une explosion techniquement <laughs> C'est After c'est ça en fait. C'est un, c'est un, c'est un, travail qu'on a fait After Effects parce que bin on a filmé bien avant moi, que je réalisé. Quoi. J'avais cette idée dans la tête, les il fallait que nous gardions le suspense jusqu'à la fin pour que les gens d'une explosion ou pas. Tout au début ce scénario, on devait exploser la, voiture, mais je moyens ak xam-xam bi tolluñu won fofu noonu quoi je je fréquente nak pas mal de jeunes filles j'ai eu un monteur Cheikh Anta mom lay liggéey li ci ëpp quoi il a fallu moom tamit autodidacte jàngi ko jàngi ko ci internet beeg lepp hmm. ñu indi ben si tournage bi on a mis une partie de vérité dans le tournage pour xol ak une partie fictive ñaar yi lañu mélanger pour mu mën exploser le car bi quoi mën exploser le. Euh, alors Alassane yow euh, nga jouer rôle bu euh, Silma Khabi noo incarner rôle bi. bon comme nous ñu ko wara incarner rek. Hmm. dañ ma jox rôle bi néma ni ngay def ni ngay def après ma def loolu rek. condition de tournage yi. waaw yombuloon nag parce que tangay la won def hmm. <laughs> fu ñu presque désert la won quoi. kon ñak bi ñak bi c'était c'était réel quoi c'était réel gars dañ dañu carrément. Hmm. tangay la won presque fofu amul amul kër bu jege fofu ndox ndox bi ci auto bi lañ ko doon def voilà quoi tout était tout était réel gars yi ñu sonoon carrément. Hmm. mais bon comme que dañu ne woon yàggul lu métti yàggul ñu dóor ko mu daanu. waaw noonu lañ ko dóoree mu daanu quoi. oui mais synopsis bi silmaxa bi nga doon. Hmm. nga incarné rôle boobu ngeen nekk ci biir car bi. Hmm. dund ngeen quand même une benn histoire bu bu particulière euh, au-delà de film bi mu doon jangat bi lan la exactement. bon jàng nañ jàng nañ ci lu bari parce que bi ñu ba fofu dem nañu sentir nañ ni. affaire bi ñoo ngi tourné tourné après oto oto bi benn moment dafa dafa paan oto bi ci boppam a woon dem léegi xam nga yi ñàkkoon nañ ba pare il fallait que encore ñu ñàkkaat léegi gars yi nekk fa defaat benn ay kii sport yu ndaw pour ñàkkaat quoi maam le temps que oto bi ñu koy réparé waat affaire yooyu noonu maanaam daf lay jàngal ni affaire yombul quoi du caaxaan maanaam da gis ni kon gars yi nekk li ñuy def ci kii bi ngay seraan naan ak ah, li dafa yomb dafa yomb nekk affaire du caaxaan quoi ci ngay xamee lu bëri nii. ñi kafuñu quoi. <laughs> kafuñu mais euh, Chérif gis na ngeen ni tourner ak ay moyens dérisoires hein. euh, de telle sorte que ku gis qualité liggéey bi après boo demee sur le terrain côtoyé leen fekk naa la benn. rokk barki si, si, si, si. ngey def lu am solo. Hein, ak ay jeunes. euh, fan ngeen di puiser seen énergie ak seen force. oui en fait mooy comme ni ma waxone au début c'est bo xamé ni tu pars avec un retard carrément retard je peux l'appeler retard parce que bu nit ñi avec super production ak matériel carrément c'est un camion cinéma dafa metti dafa cher donc c'est des camions c'est des logistiques la on xamé ni peu lool da ngay xam carrément nan ngay il faut nga le lu bari qualité pour sur le plan de diffusion duñ différence entre scène image ça tu travailles deux fois plus motax da ngay insister trop sur qualité de l'image sur les plans surtout soit respecté parce qu'en général je ñu mel ni man buñ ñu demee ci festival wala buñ ñu demee ci milieu cinématographe dañ leen di xoolee comme ñu génnul école et puis déjà foofu dafa am benn manque de petit respect bu fay am mais euh, pour nga mën ko euh, dab il faut nga teg li ngay wane quoi. moo tax mhm. lépp ci liggéey bi lay nekk je suis un peu trop exigeant dans le travail loolu moy gëna tax quoi donc de fur et à mesure dañuy ñaan ñaan di tek ay projet mm. di di dab quoi parce que bon tout le monde souhaite travailler c'est des conditions extraordinaires quoi. waaw donc c'est ça comme comme ça qu'on fonctionne quoi. Mm-hmm, mm-hmm. alors euh, 2020 ngi waaj ñew ñëw dañuy ñaan yalla fekkee ko ñun ñëpp ak jàmm ak salam lan le cinéma sénégalais wala lan le shérif Asfati di paré oui en fait euh, déjà man may projet ma ngi ci ko ah, ñi ma xam deug xam nañ ni je de bon dañ may woyé souvent ko xamante ne li may casse dafa bëri de je râle trop dans le milieu parce que cinéma bi dama ko def sama yëfu bop pare def ko une image du Sénégal quoi je souhaite franchement que 2020 mu nek année au cinéma déjà foog ñu tek ay objectifs yu euh, euh, pour ñep mën si quoi parce que nous par exemple ñu melni man c'est nous on est la première génération de ciné UCAD euh, buñu paré bima bi ci autodidacte rencontré Abdelaziz Boy hmm. donc euh, Université Charente, de première promotion bi nous ñoo ci quoi c'est-à-dire tous ces jeunes qui sont là ils sont à fleur de l'âge instant bi une té dañu wara dañu responsabilité sociale dans la maison dans les familles partout donc il faut que aujourd'hui ñi yor cinéma bi ñu koy diriger nous sommes en collaboration avec les jeunes qui sont sur le terrain. Nous avons quelle synergie faire pour faire un cinéma sincère. Nous avons de quoi parce que chaque jour ça te fait mal de voir un jeune qui était dans le milieu qui dit « ah ben ali man le quoi fi pourtant tu vois des gens qui sont talentueux mais problème économique c'est tax ñu daw ñu hmm. et puis le Sénégal perd en matière de d'expérience en matière de connaissances. et puis nous duñ ko yek mais nous, ñu nekk terrain quoi. donc ñi gëna yomb ci ñom des ñi yor décision politique yi di signer di par année il faut que ñu jampalé 2020 def au minimum c'est quoi l'objectif du cinéma sénégalais en 2020 en 2021 nous avancer non quoi c'est mieux de travailler dans le flou quoi. absolument euh, alors Alassane yow euh, Karine moy euh, film bi nga ñëk jouer joué wala amone ci yenen euh, film yo bokkon avant. non man la plupart des films que j'ai joué le presque Sénégal Sénégal, quoi. parce que okay. Sénégal forme, la me ma je foofu premier film que fa joué nak ki la Shift. D'accord. Sénégal mooy maison de production bu euh, Chérif. Pour Chérif bi waaw. Mhm. film boobu njëkk a joué shift la quoi foofu figurant figurant la rôle figurant la doon Y'a yaa ngi ci mbakku tamit wala. mbakku waaw waaw maa ngi ci. Mhm. Mhm. maa nekkoon ci saret bi noonu. saretu mbaam bi quoi. ah d'accord. accord. waaw ci waaw yaa doon wër waa ji ci biir àll bi noonu. Hmm? non man maa ànd ak gars quoi mais bokk naa ci ñu leen di wër mais man wàccu ma saret bi quoi ci kaw saret bi laa toogoon rek. ok c'est objectif pour 2020 bon objectif yi mooy <laughs> multiplier multiplier tournage rek voilà quoi am plus de plus de rôle à jouer comme ça moyens yi di gën a bëri. Mm-hmm. ñuy gën a ñuy gën a def succès quoi comme ça ñu mën a au moins vivre de ce qu'on de ce qu'on fait quoi. waaw yow tamit autodidacte nga comme shérif waaw waaw waaw. mais yaa ngi ci gis sa bopp quand même. waaw maa ngi ci gis sama bopp ah tout tout rek ok alors Sherif, que tu Je te demande remercier parce que je ma meilleur. chaque fois moi, am tribune pour jox cinéma je vois que la télévision je la suis particulièrement ITV jox un espace important pour le cinéma et puis cinéma dafa toll le xamante école deuxième position normalement c'est éducation dans le monde cinéma parce que la colonisation du monde ça passe par les films qu'on reçoit et je pense que nous on a notre mot à dire aujourd'hui Si les salles de cinéma les film bu sont bu États-Unis donc ils ça veut dire qu'ils sont très en avance Ils dañuy jaay culture donc il y a am espace humain, ITV Dit-on est carrément ce que nous on fait on est pauvre dans la distribution donc man li def juste féliciter et encourager cette action continuer 2020 merci en tout cas Chérif merci San euh, Khan. merci à vous euh, chers euh, téléspectateurs Bataille chez ci ITV à saint bi di tous au ciné